Nous sommes venus ici aujourd'hui manifester notre amertume, notre chagrin de voir un chantier qui a débuté avant les élections présidentielles euh, dans le cadre du Promoville euh, qui a été initié, je crois, par l'État du Sénégal. Euh, vous savez que notre quartier a été nouvellement installé. Donc nous devions bénéficier de certaines infrastructures comme euh, ce canal euh, qui est actuellement à ciel ouvert et qui nous cause des soucis à cause des moustiques. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons tenu à manifester notre désapprobation par rapport à la société qui gère euh, ce chantier et par rapport aux autorités de l'État pour, pour qu'ils sachent que nous ne sommes pas un bétail électoral. Pour qu'à la veille de chaque élection présidentielle, municipale ou parlementaire, qu'ils viennent solliciter nos voix ensuite euh, nous faire miroiter euh, certaines choses que demain nous ne verrons pas. J'ai eu à euh, parler au contremaître ou au chef de chantier qui nous disait qu'il ne restait qu'à mettre le goudron et qui nous avait parlé d'une voix rassurante que le, premièrement le goudron devait être prêt avant, avant, le, avant le ramadan. Ensuite, après le ramadan, maintenant nous sommes en début d'hivernage. Vous avez vu que hier il a, il a un peu plu. Actuellement, on, vit le calvaire. Depuis quatre ans, le chantier ne se termine pas. Nous, quand on va au marché, on ne peut pas, accéder à nos maisons. Avec nos ravitaillements et tout, on nous laisse ici. Les, voitures ne peuvent pas entrer dans la cité. Et, en plus de ça, il y a des désagréments que cela nous cause. Parce que les riverains, ils, versent leur eau usée dans le canal là qui doit protéger la route. Ça protège la route, mais non euh, les quartiers environnants. C'est une évacuation, une canalisation qui doit prendre les eaux usées, les eaux de pluie, mais pas les eaux usées. Et tout au long, vous pouvez même constater qu'il y a des égouts qui ont été branchés sur ce canal-là. Nos maisons sont infestées de moustiques, de mouches et de, tronçons. Nous voulons que le chantier-là soit terminé une bonne fois pour toutes, ou bien on constate sur quel pays danser. Nous sommes déjà chantier. Parce que le chantier, c'est le chantier qui commence. parce que loolu mënuñu suñ nekk mënuñu nekk chaque jour ñu ñëw commencé tey suba ñu bàyyi loolu mënuñu ko soit dañuy ñëw ñu eggali seen bi wala ñu bàyyil ñu tali bi nii mu mel nii ñun ñun bëgg nañ ko nu mu mel nii ñun mun nañ ko bàyyi chauffeur clando yi amuñu fuñ jaar

mais fële na le mënoo fa 17 ah, euh, heures mënoo fa fa nooy 17 heures mënoo fa dem parce que boo fa demee booy ŋang di lekk yoo am na yoo xamante ne ñu duñ ko nangu. léegi nag jox na leen app bu ñu bu ñu réagir ci lii nii ñun ñooy dégager lii yëpp barrage ñoo koy dégager bàyyi oto yi jàll.